Pour ce qui est de la chara, lorsque sa période commence, ceux à qui la chara doit être donnée font le tour des maisons de leurs cousins à plaisanterie, avec des balais à la main. Ils se mettent à balayer ou à faire semblant de balayer la cour. Avant, ce n'était pas beaucoup d'argent qu'on donnait en guise de chara. Ça peut être une noix de cola, ou une très petite somme d'argent, 5 francs, 10 francs ou 25 francs. On ne marchande pas. C'est juste symbolique. Traditionnellement, cela signifie que l'année est complète.